Nous sommes vendredi 5 août 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine et cela avec des confrères de médias de Niamey. Aujourd'hui, le Forum de la presse mettra l'accent tout d'abord sur la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Niger le 3 août. Nous parlerons aussi des forces armées nigériennes à l'occasion du 62e anniversaire de leur création le 1er août 1960. Enfin, il sera question de la hausse du prix du gasoil qui est passé le 1er août dernier de 538 francs CFA à la pompe à 660 francs CFA, soit une hausse de près de 25%. Pour échanger, sur ces sujets, nous recevons dans ce studio Memoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Abba Kari Armi, il est journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Thank you. Chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs, bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération et chers invités, merci d'être venus. Le Niger a célébré ce 3 août le 62e anniversaire de son indépendance. Memouna, je commence par vous. À la date d'aujourd'hui, comment vous appréciez l'indépendance du Niger Par rapport à cette indépendance, depuis 1960, mhm. quand on regarde euh, aujourd'hui, ça fait 62 ans que le Niger a eu son indépendance. Un long parcours un long parcours en tout cas, euh, un long parcours où il y a eu des, avancées, des difficultés et tout. Et quand je regarde, euh, je, me dis que au lieu que le Niger euh, progresse mhm. en termes de positivité, je vois plutôt que le Niger, ça ne va pas. Ça ne va pas en d'autres termes Mais quand je dis ça ne va pas, ça veut dire que tout n'est pas aussi euh, rose comme on veut le dire. Il y a des problèmes. Je ne dis pas que ça va mal dans tous les secteurs, mhm. mais quand même les secteurs sociaux de base sont en difficulté Par exemple, dans quel secteur on, voit ah, Je regarde l'éducation. L'éducation, le mhm. secteur éducatif. De 1960 à aujourd'hui, quand même, on ne devrait pas être à ce point. il, il, devrait avoir une nette amélioration par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, mhm. par rapport à l'agriculture et tout, par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons tellement de difficultés dans ces secteurs que je pense que c'est là où on doit mettre l'accent, où les gouvernants doivent mettre l'accent, en tout cas pour une bonne réussite. Mm. Et pour ce qui est de la célébration, mm. ça n'a pas du tout changé. C'est à peu près la même chose. Chaque année Chaque année, c'est la plantation des arbres on revient, on fait quelques manifestations, mhm. des décorations, et, puis c'est tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est changé. Mhm. Ça veut dire que on devrait élargir tout ceci peut-être à des forums pour se demander, surtout dans la région qui est choisie, faire euh, un forum pour voir demander à toutes ces populations leur vision. Mm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut améliorer Qu'est-ce qu'aujourd'hui il y a à améliorer mm. dans les fêtes de 3 euh, août mm. Mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ils ont préféré aller au niveau de Tilaberi. Mais la région de Tilaberi a, beaucoup de difficultés aujourd'hui. La question de l'insécurité. est, là. L'éducation est là, il y a tout. Donc, c'est vraiment, c'était une occasion, non pas pour aller planter des arbres, mm-hmm. mais quand même une occasion de réunir. Le président de la République était là-bas. Mhm. Il pouvait réunir euh, ces populations pour entendre leurs cris de cœur quand mhm, même. Mhm, C'était ça, en fait, l'objectif. La question de la plantation de l'arbre, d'aucuns disent aussi que c'est une question capitale. Oui, ne -hmm. ça, je ne vient pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une caserne comme la gendarmerie a besoin de plantation d'arbres C'est ça aussi, il faut se poser la question. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que les sites qu'on choisit, il faut savoir les sites qu'on doit choisir pour cette plantation d'arbres Pour revenir un peu sur la question même de l'indépendance, vous parliez plus haut euh, de difficultés, d'avancées. Euh, Quelles sont, si on peut le dire, les avancées ou bien les acquis de cette indépendance à la date d'aujourd'hui Selon vous euh, à la date d'aujourd'hui, en termes d'avancées, euh, on peut euh, s'estimer en tout cas heureuse que euh, après les plusieurs mouvements, plusieurs grèves qui ont conduit à l'instauration de la démocratie, c'est vrai, on ne peut pas dire que la démocratie, elle fonctionne à 100%, mhm. mais quand même, on, doit s'estimer heureuse que, de par les autres pays voisins que nous avons, quand même, on n'a pas eu assez, en tout cas, de coups d'État et autres. Donc, ça veut dire que euh, ça, c'est un acquis. Mhm. C'est un acquis, en tout cas, pour le peuple nigérien. Et il y a également ce qu'on appelle la solidarité. Mhm. Qu'on le veuille ou non, nous sommes toujours solidaires. Mhm. Le, peuple nigérien, est solidaire. Mhm. Mais ça aussi, c'est notre acquis. Mais euh, pour ceux qui. Les avantages aussi, c'est qu'aujourd'hui, on tend à aller vers le modernisme et c'est très, très, très important. Avec les nouvelles technologies de mhm, l'information, on a la liberté d'expression, mhm. bien, bien que la liberté d'expression également souffre euh, d'ambiguïté mhm. à quelques, niveaux. Je pense que c'est des acquis qu'on peut, en tout cas, euh, mettre dans l'assiette de cette indépendance. 62 ans donc après Ousseini, est-ce que euh, on peut qualifier le Niger de pays indépendant Merci Nafissa. Mhm. Indépendant, oui, sur le papier. Sur le papier. Expliquez-nous, oui. On est indépendant sur le papier parce que c'est juste une indépendance euh, formelle. C'est quand De Gaulle est pacté en 58, il a dit qui veut pacter tout de suite il eu que l'historique donc. Oui, oui, oui, mhm. je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas m'attaquer là-dessus. Mhm, mhm. Il a dit non, nous on préfère s'en aller. Les autres sont restés jusqu'à ce qu'on leur dise bon, ok, vous prenez votre indépendance, mais vous allez rester sous la coupe de, la France qui va continuer. On a signé des contrats qui sont là, des contrats dans le cadre de l'exploitation de nos ressources, dans le cadre de la présence même de la France ici, n'est-ce pas On a continué dans l'indépendance formelle avec les Français, on achetait tout. Il y avait personnage Gagdin, il y avait, comme avait dit, toutes les grosses, euh, et, comme avait dit, les unités, comment les, magasins et tout, et tout, c'était des, magasins français. il y avait Paris mhm, Square mhm. à l'époque, <laughs> je, me rappelle. Mais bon, on a continué comme ça jusqu'en 1914 quand il y a eu le coup d'État, et qui a été, comme tout le monde sait, qui a été suscité par la, un peu la France, mhm. à travers notamment la volonté de Yuri de vouloir changer les choses. N'est-ce pas mhm. Ils ont fait le coup d'État pensant que Conquier allait immédiatement, Conquier allait aussi continuer. Mais il s'est trouvé que Conquier avait déjà son idée derrière la tête. Quand il a fait le coup d'État, il a dit aux militaires français quittez. Mhm. Je ne vais plus vous voir. Le lendemain du coup d'État, il a dit je ne vais plus voir la, la, force militaire française sur place. Et je ne sais pas, plus de 30 ans après ou 40 ans après, aujourd'hui, on dit on a besoin de ces Français encore pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Hmm. Aujourd'hui, bon, ça a évolué parce qu'on est dans un contexte démocratique, mais malheureusement, c'est dans ce contexte démocratique qu'on se retrouve hmm. encore avec des bases étrangères, hmm. pour, sous le prétexte qu'ils sont, sont venus nous aider. Non, quand on est indépendant, on doit se donner les moyens, en tout cas avec toutes ces années qu'on a passées, ces décennies, mm. on doit se donner les moyens de créer les conditions pour que quand on est fait face à une menace, mm. qu'on puisse nous-mêmes d'abord nous défendre avant de faire appel à d'autres personnes, des Blancs qui vont venir, qui nous donnent d'abord dans un premier temps. Ils sont venus en, exploration, mm, c'était pacifique. Ensuite, ils sont venus dans le cadre de la volonté de, de conquête. Ils sont venus, ils ont tué, ils ont pillé, ils sont partis. Ils sont revenus, ils ont dit, bon, c'est la colonisation cette fois-ci, on va vous coloniser. Ils ont colonisé jusqu'à pratiquement mhm. la veille de la... jusqu'au début, à, la veille de 1960, mhm. ils ont décidé de donner l'indépendance. Mhm. À partir de ce moment-là, à partir du moment où, quand vous vous dites indépendant, vous ne pouvez pas créer les conditions vous-même et comme l'a dit Maimouna, plusieurs secteurs rencontrent des difficultés ici au Niger. Bon, moi, je vais plus lier ça à la mauvaise gestion de l'État. <laughs> Mhm. Tous ces secteurs-là, ça fait partie, bien évidemment, d'un pan de la non-indépendance. Parce que quand c'est de l'extérieur, on vous impose votre. Euh, comment dire euh, euh, on, on, vous dit voilà comment vous devez mener vos politiques mhm. publiques. Mhm. C'est eux qui dictent parce que c'est eux qui ont l'argent. Mhm. Ils, ont, ils amènent l'argent, ils disent c'est comme ça on veut, c'est comme ça que vous allez faire. à partir donc, ils dictent euh, au pays comment gérer. comment, comment, d'abord, comment je dois gérer mes ressources, mhm. comment je dois gérer mes ressources mhm, humaines, ma ressource humaine à partir de ce moment, il n'y a pas d'indépendance. Parce que quand on parle, moi, je ne vois pas euh, la, puissance colonisatrice directement. Je vois toutes ces institutions-là qui gravitent, Banque mondiale, FMI, tout ça, le Club de Paris, mhm. qui viennent, qui imposent leur dictat. Mhm. Voilà comment nous, nous voulons. Et c'est sur cette base-là. Alors qu'ils sont là pour nous piller. Ils prennent nos ressources. Sankara, mhm. ne perdez pas de vue, Sankara a dit en 86, mhm. juste avant son dé, à un machin de non-aligné, et dit bon, on ne paye plus la dette. Si je suis convaincu que si on refuse, parce qu'on a payé la dette plusieurs fois, si on refuse, moi je vais pas. Si je ne suis pas suivi dans mon action, mhm. moi je peux pas, je vais pas revenir l'année d'après. À euh, que, dire donc sur l'indépendance du Niger euh, au vu des, réactions de, nos deux, de vos deux prédécesseurs qui sont un peu perplexes, si on peut les dire, sur cette indépendance Bien sûr qu'il y a lieu d'être euh, perplexe. Mhm. Euh, il y a plusieurs années de cela, les analystes convenaient au moins d'une chose, c'est que notre indépendance théorique, on l'avait, mais c'est peut-être une indépendance entre guillemets politique qu'on avait, mhm. mais au plan économique, on n'était pas déjà euh, indépendant mhm. parce que tout était régenté, tout était dicté de l'extérieur. Mhm. Et plus maintenant encore, et plus maintenant encore, euh, les pères de l'indépendance euh, ou des indépendances, n'est-ce pas, de 60 jusqu'au premier coup d'État, parce que le cheminement est le même partout dans les pays de la sous-région, euh, ont essayé de poser des actes. Bien sûr que dans notre pays, euh, vous savez que c'est ceux qui avaient le soutien de la France qui ont gagné les élections euh, au lendemain de la, des indépendances. Et c'est eux qui ont géré jusqu'en 1974. Malgré tout, voilà, malgré mm. tout, ils ont posé des actes. Euh, au plan industriel, mhm. n'est-ce pas On peut citer un certain nombre d'industries qui existaient dans ce pays. Aujourd'hui, le tissu est délabré à telle enseigne qu'on peut dire qu'on n'a aucune industrie presque sur, la place. Mhm. Euh, parce que là aussi, nos colons, n'est-ce pas, ont continué à nous dicter parce qu'il faut privatiser, mhm. parce qu'il faut arrêter telle production, parce qu'il y en a des produits de l'extérieur qui viennent, ainsi de suite. Ce qui fait que sur le plan euh, d'abord euh, de l'emploi, les Nigériens ont pris un coup. Euh, sur le plan de l'autonomie dans la production, de la consommation du... Aujourd'hui, on peut dire consommons nigérien, mais qu'est-ce qu'on va consommer À part ce que nos pauvres paysans produisent dans leur champ et on mhm. sait comment ça se passe sur le terrain. Et ce que les éleveurs produisent, il n'y a plus rien à consommer. Mhm, mhm. Et on fait tout pour nous amener des produits de moindre qualité, mais qui sont moins chers et donc du point de, au point de continuer à vraiment consommer ce qui vient de l'extérieur. Si on comprend donc côté économie, le Niger n'est même le pas symbole en la matière, c'est d'abord le symbole en la matière, c'est d'abord le franc CFA, n'est-ce pas? Euh, les économistes sont mieux placés parce que c'est une structure très complexe, mm-hmm. mais euh, le coût, la valeur de notre argent, du CFA que nous, que nous dépensons, avec lequel le fonctionnaire est payé, mm-hmm. les produits nationaux sont payés, sont d'abord, euh, comment on dit, imprimés ailleurs, mais aussi garantis par la France, mm-hmm. n'est-ce pas Notamment aujourd'hui, euh, là, on sait que le, le, le, le, dollar connaît un bon, n'est-ce pas Mais euh, euh, a, nettement, a, pratiquement atteint, on va dire, l'euro. Mais ça veut dire que le, systématiquement, automatiquement, toute toute, toute, toute, la monnaie ouest-africaine ou vraiment de, de l'UMOA, n'est-ce pas, et connaît une chute mm-hmm. qu'on ne nous dit même pas. Est-ce qu'on se comprend Beaucoup d'éléments font en sorte que vraiment cette indépendance euh, du Niger. Euh, elle est théorique. oui, elle, est théorique. Mhm, mhm. D'autant plus que aussi nous avons euh, en Afrique en général beaucoup de têtes de pont de la pénétration mhm. vraiment de, l'impérialiste, du colonialiste vraiment, et qui sont restés aujourd'hui leurs agents et qui croient plus au soutien euh, de, la France ou mhm. des autres pays colonisateurs qu'au mhm. que au soutien de leur population. Il faut leur plaire à tout prix. Donc, en fait, même politiquement, mhm. en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Oui, le fonctionnaire euh, de l'époque euh, qui était un blanc. qui, vient de l'Europe et tout est remplacé aujourd'hui par le fonctionnaire nigérien. Le politicien, il est remplacé par un fonctionnaire nigérien c'est pas au-delà. Une indépendance euh, théorique selon nos intervenants euh, et beaucoup doit être fait pour que le Niger soit autonome sur tous les plans. Rappelons que la fête euh, de l'arbre était également célébrée parallèlement le jour même de la commémoration de l'indépendance du Niger le 3 août. À l'occasion de celle-ci, il est procédé à la plantation d'arbres dans tout le Niger. Et dans son message à la nation le 3 août dernier, le président de la République, Mohamed Bazoum, a indiqué qu'un comité d'experts sera mis en place pour tirer profit du projet de la Grande Muraille verte. Je vous propose d'écouter le président de la République, Mohamed Bazoum. Depuis quelques décennies, notre fête de l'indépendance coïncide avec la fête nationale de l'arbre à laquelle le gouvernement apporte une importance toute particulière en raison de son impact sur la prise de conscience collective des défis environnementaux qui menacent notre pays. Cette année, le thème retenu pour la circonstance est, je cite, lutte contre l'ensablement des cours plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Fin de citation. Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place pour préparer des projets en vue de leur financement dans le cadre du grand projet de la Grande Muraille Verte, de façon à permettre à notre pays de tirer le maximum de profit de cette opportunité. Je voudrais à cet égard terminer mon propos en lançant un appel à la communauté internationale pour qu'elle soit à la hauteur de ses responsabilités sur cette lancinante question du changement climatique. C'était là donc euh, le président de la République Mohamed Bazoum dans son discours à la nation euh, prononcé le 3 août dernier à l'occasion donc de cette fête euh, de l'indépendance. Hussein Issa, le président a évoqué la question de la muraille verte. La muraille verte, que doit-on vraiment retenir de ce projet C'est un projet. Mhm. <laughs> c'est ça qu'on doit retenir, c'est un projet. On en parle depuis, mhm. depuis des années. On en parle mais on ne voit pas avancer, n'est-ce pas mhm. Moi, je dis, c'est ça aussi nos faiblesses. On vient parce que tout simplement, c'est dans l'air du temps, on avance des choses qui sont importantes pour l'Afrique. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'acheter, euh, comment dirais-je, comment s'appelle, euh, les trucs des Nations Unies pour les changements climatiques. J'ai été dans au moins deux ou trois machin, COP, euh, oui, oui. Alors, moi, quand je vois un peu les autres pays, quand ils viennent, tu sens qu'ils viennent avec des dossiers consistants et tout et tout. Sur les questions environnementales. Mais mhm. quand on voit un peu, nous, nous allons un peu en tourisme, on tourne en rond, pendant que les autres défendent, parce que euh, le crédit carbone et tout ce qu'on en parle, mhm. Et c'est cette question de Miraille verte. C'est bien beau d'en parler, c'est mhm. bien beau. Moi, honnêtement, ce qui me choque dans ce pays, c'est que j'ai l'impression que les choses sont ponctuelles. Mais d'ailleurs, quelle est l'importance de, ce projet pour, pour notre pays, le Niger C'est important parce que ça va contribuer à lutter contre la désertification, ça va contribuer à créer les conditions pour que nous recevions beaucoup plus de pluie. Mhm. Parce qu'avec la GCRS, on a démontré les changements climatiques. C'est ce qui fait que nous sommes dans une situation souvent mhm. où les saisons sont déréglées. Mhm. On, vit cela actuellement. On vit, on vit cela d'une année à l'autre, on voit ce qui se passe. Où il n'y a pas de pluie, où les pluies viennent, ils s'arrêtent, ils viennent en même temps, ils s'arrêtent, les pluies viennent, ça ne s'est pas étalé dans l'espace et le temps, n'est-ce pas D'une année à l'autre, il y a des années, des décennies, c'était pas comme ça. Quand on dit c'est la saison de pluie, c'est la saison de pluie. À partir de juin, là, les pluies commencent et les pluies vont aller jusqu'en fin, pratiquement en fin août, septembre, mi-septembre, souvent jusqu'en octobre, il pleut. Mais aujourd'hui, on voit un peu comment les saisons se comportent surtout la saison, la saison de pluie surtout, parce que c'est ça qui permet aux paysans de tirer. C'est bien de faire la muraille verte, c'est bien de pouvoir lancer les choses, mais ça ne doit pas se résumer au discours. Hmm. Mais malheureusement, le sentiment dominant, vous pouvez interroger les Niger, on résume tout au discours. C'est bien beau le discours, mais concrétiser. ça, ça devient compliqué parce que tout simplement, il y a de l'argent, on met des institutions en place, des structures en place, c'est des structures des budgétivaux, des gens qui vont venir s'asseoir à longueur de journée. On dit que c'est planter des arbres. Mais alors, c'est pas président, un comité sera mis en place pour. Euh, le comité pour que les gens mangent l'argent. Euh, selon vous, quels sont vraiment les, vrais, les principaux obstacles à, ce projet ici au Niger Écoutez, euh, c'est comme Ousseini l'a dit, hein, c'est la volonté, c'est le suivi. C'est-à-dire, souvent nous avons des idées, très brillante, mhm. n'est-ce pas Moi, je trouve que le CMS a eu une Ce très pas très bonne initiative du Niger uniquement. Oui, oui, mais la de, faire, de faire la date du euh, faire la date du 3 août, la fête de l'arbre, faire coïncider, c'était mhm. vraiment une idée du Niger, c'était le mhm. CMS depuis 1976 qu'ils ont initié ça. Et je trouve que c'est une très bonne trouvaille. Mais malheureusement, on n'est pas allé au-delà c'est quelque chose d'extrêmement important qui mérite un investissement, un travail sur toute l'année, n'est-ce pas, que à cette date, on doit être à mesure de savoir combien d'arbres nous avons mhm. plantés l'année dernière, où est-ce qu'on en est par rapport au suivi de ces arbres-là, mhm. est-ce que tous ont grandi ou ça n'avance pas, pourquoi on mhm. doit le savoir. Malheureusement, après 40 ans, on n'a aucune idée du nombre d'arbres qu'on a plantés dans ce cadre. Donc sinon, je trouve que c'est une des meilleures trouvailles de la célébration de nos différentes fêtes. Mhm. Un vrai suivi. Hein. Maintenant, pour ce qui est de la muraille verte, c'est la muraille qui doit aller du Sénégal jusqu'au Djibouti en passant par le Niger, traverser tous les pays du Sahel. Mhm. C'est sur à peu près 8000 km, mhm, n'est-ce pas Et c'est une euh, initiative, c'est un projet vraiment de l'Union africaine. beaucoup de bailleurs se sont euh, mobilisés pour vouloir, y compris la France d'ailleurs, je me mhm, rappelle, mhm. Euh, avec Macron l'année dernière, ils se sont décidés à accompagner parce qu'ils trouvent que c'est une très belle initiative. Mais vous le savez, l'argent, région, euh, là le président parle d'une opportunité mhm, pour le Niger, parce que normalement euh, c'est devenu un tout c'est-à-dire c'est de lutter contre la désertification mhm. en prenant en compte les problèmes de l'emploi, de, de tout, tout, ça. Mhm. Malheureusement, rien n'a été fait. Ça, date de 2007. Mhm. Nous, nous, sommes, jusqu'en 2020, normalement c'est jusqu'en 2024. Mais pour toute l'Afrique d'abord, ou pour tous les pays concernés, nous sommes seulement à 4-5% euh, de réalisation. 18% si on prend la bande la plus large. Beaucoup reste, hein. à faire, c'est-à-dire c'est un, projet qui n'a presque pas bougé. Des pays comme le Sénégal, comme le mhm. Nigeria ont essayé des choses, mais chez nous, on peut dire qu'on est au plan zéro. Au lieu de parler de ça en mhm. termes d'opportunités, ça mhm. c'est des questions vraiment qui doivent être d'autonomie, de souveraineté nationale. On sait que c'est incontournable si nous ne voulons pas aggraver les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Malheureusement, mhm, mhm. les Nigériens ne savent même pas. Le commun des Nigériens ne sait même pas jusque-là de quoi il s'agit. De quoi la muraille verte. Alors vous, Memouna, est-ce que euh, vous êtes optimiste quant à la concrétisation de ce projet si ce projet qui a été lancé depuis 2007 et qui va être concrétisé en 2024, et que le Niger n'est qu'à 4%, hmm. alors même pas, c'est l'ensemble du pays qui soit à 4%, ça veut dire que qu'au hmm. Niger, euh, c'est le quo total, donc ça veut dire que moi j'ai un doute. Hmm j'ai un doute pour que le Niger soit au rendez-vous pour en 2024, mhm. Nafisa. Parce que, en fait, il n'y a même pas de, y a même pas de, communication autour de, la muraille de quoi il s'agit même cette Il y a d'autres qui n'ont euh, su cette expression que avant-hier, lors, du message à la euh, nation du mhm. président. Donc ça veut dire que les choses ne bougent pas mhm, si depuis 2007 il a fallu peut-être, ou bien jusqu'à présent, le comité n'a pas été mis en place. Mhm. Ça veut dire quand est-ce que le comité va prendre place et réfléchir mhm. et aller vers des actions concrètes. Moi, je me dis que ça sera impossible. Il ne faut pas qu'on soit dans cette situation des rails. Mhm. Nous avons vu les gens, les gens, ont espéré <laughs> le, le, train siffler à mhm. Niamey, mhm. au Niger. Malheureusement, ça n'a pas été. Mhm. Dans ce cas, on ne voudra pas être également dans cette situation où la muraille verte va traverser d'autres oui, pays. Et nous oui, rapidement pour clôturer ce sujet. Je suis en train de dire, pour clôturer ce sujet, je prends l'exemple de Sankara. Quand il est venu, il a eu l'initiative Un village en bois. Oui un village, un bois. Et ça, s'est réalisé, un village, un bois. C'est ça qui a village Oui, mais, non, un bois, ça dit, il faut un bois. Alors, ça a marché, non mhm. Sans qu'on donne l'argent. Les gens se sont engagés délibérément, volontairement pour aller faire. Mhm. Ici, aujourd'hui, quand on lance les choses là, c'est toujours des structures qu'on met en place budget inutilement. Vivement où la, Vivement la concrétisation de ce projet. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse. Les forces armées nigériennes ont célébré le 1er août leur 62e anniversaire à Maradi, dans la zone de défense numéro 6. On a aussi célébré cet anniversaire, partie de 800 hommes pour protéger le Niger. Le commandant de la zone numéro 6, le colonel-major Ibrahim Garba, indique qu'aujourd'hui, l'armée du Niger est à plus de 30 000 hommes. Elle s'est modernisée et protège le pays face au terrorisme. Alors, Army, une armée qui a évolué avec le temps et avec le contexte sécuritaire aujourd'hui, quelles sont vos impressions Bon, il ne faut pas oublier que c'est une armée euh, comme toutes les autres structures mm-hmm. du pays aussi qui est héritière ou qui est vraiment un rejeton aussi de la colonisation. Mm. Euh, les premiers militaires qu'on avait, ce sont des militaires qui ont vraiment servi euh, la nation française, mm. n'est-ce pas euh, Qui même après ont fait aussi la guerre d'Indochine, ont fait la guerre mm. même contre... voilà. Et donc qui ont pris après 74, la destinée de notre pays, pour l'essentiel d'entre eux, hein. euh, vraiment la destinée de notre pays en main. Ce qui fait que moi, de mon point de vue, pendant longtemps, oui, après la conférence nationale, beaucoup de choses changé parce que euh, les fils du pays se sont dit certaines vérités mm-hmm. au sein du, euh, de, de, sport oui, palais au palais du 29 juillet aujourd'hui. Euh, justement, en faisant référence à cette conférence nationale-là, l'armée est restée pendant longtemps en marche mm-hmm. de de la population pour laquelle elle est censée travailler, qu'il a mise en place et de elle est issue. Euh, ce qui fait que euh, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ce qu'il n'y ait pas euh, cette confiance. Mhm. Et d'ailleurs, dans les zones de conflit, on sent aussi qu'il n'y a pas encore cette confiance-là. Et la dernière trouvaille du gouvernement en ce moment, c'était de mettre pour DIFA, par exemple, des fils dits du terroir, justement pour lutter contre Le terrorisme Donc, moi, je pense qu'il y a sur ce plan-là, parce que ce sont nos frères, c'est nos parents, c'est nos enfants, tout ça, mais dès qu'on intègre ce corps, j'ai l'impression qu'on est un peu en marche de la population. Or, il y a un rôle, oui, bien défini, n'est-ce pas Il y a un cadre qui est tracé et on doit tout à cette population et on doit être très proche de cette population-là. Mhm, mhm. Sinon, aucune entreprise dans ce cadre ne y Avoir une collaboration, collaboration nette, une mm-hmm. entente nette. La population doit se pouvoir se retrouver à travers son armée. Alors vous, Maimouna, au vu vraiment du, contexte sécuritaire du pays, comment vous analysez euh, les interventions des forces armées nigériennes sur le terrain Nafis, euh, je peux dire qu'en fait, euh, on, a, on sait déjà qu'en Afrique, on a une armée en tout cas, l'armée nigérienne est classée parmi les meilleures armées en Afrique. Mm. Donc c'est déjà une prouesse pour notre armée nigérienne. Mm. Et sur le terrain, euh, au vu de euh, l'insécurité, euh, cette armée est en train de, se battre mhm. comme il le faut. Mhm. Mais je l'ai toujours dit, c'est que cette armée n'a pas les moyens nécessaires pour faire face à cette insécurité. Mhm. Mais quand même... L'État ne met pas à leur disposition tout, tout le nécessaire Oui, bon, ce que l'État... En fait, quand je dis les moyens nécessaires, il y a également les moyens financiers il y a mettre euh, dans les conditions ces militaires. Mhm. Il ne s'agit pas seulement de leur donner les armements, mhm. non. Il y a la situation économique, il y a la situation financière qui mhm. rattrape ces gens. Il y a également aujourd'hui, il faut essayer de voir qu'on a une armée qui est très jeune. Parce que c'est les jeunes qui sont en train aujourd'hui d'intégrer cette armée. Donc, ça veut dire que plus les vieux se retirent, plus c'est les jeunes qui prennent qui sont là. Mhm. Et ces jeunes ont besoin de formation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ça. Mais je me dis que c'est vraiment une armée qui est là, une armée qui résiste, une armée qui est forte, une armée qui démontre, démontre que vraiment mhm. ils, ont l'envie de se battre pour, mhm. euh, pour sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder, le territoire nigérien, face à l'ennemi. Mais il faut les appuyer davantage. De 800 hommes, donc euh, l'armée nigérienne s'est multipliée à plus de 30 000 hommes. Euh, selon vous, au euh, CENI, quels sont les vrais défis qui s'opposent donc à notre armée aujourd'hui D'abord, même le fait d'exposer des chiffres par rapport à une armée là, c'est ces dernières années qu'on entend ça. C'est des informations qui ne doivent pas être. Des informations qui devraient être gardées. des informations qui doivent être des informations gardées secrètes. Mhm. Mais maintenant, on se vante, nous, nous sommes venus quand nous avons trouvé. Quand vous avez trouvé, vous avez trouvé quand même une armée qui était en mesure de surveiller, de contrôler, de pouvoir empêcher à quelque, ennemi que ce soit de pouvoir pénétrer, pouvoir poser des actes et s'en aller. Aujourd'hui, on a affaire à des frontières poreuses où des gens viennent, ils tuent même l'armée, les militaires. malheureusement, N'est-ce pas Bon, alors, est-ce qu'on a besoin de s'enorgueillir Mais le problème qui se posait avec l'armée, c'est sa politisation. Mhm. Une armée devait être apolitique. C'est-à-dire que le mérite, c'est le mérite, le grade, c'est le mérite. Mhm. C'est Ce n'est pas des promotions comme ça parce qu'il faut faire la promotion. On fait la promotion parce que la personne mérite d'arriver à ce grade-là. Oui. Alors, mhm. on crée une situation comme ça, où on se met à faire la traque au sein de l'armée, on essaie de alors, on crée quoi On crée une situation malheureuse, malheureusement, mhm. qui fait qu'il y, a une espèce de démobilisation quelque mhm, part. Mhm. C'est pour ça que j'ai dit, mais venez comparer. On n'a pas à comparer des choses incomparables. Les 800 hommes, le Niger, la population du Niger était en tout et pourtant combien à cette époque Aujourd'hui, nous sommes à combien de population C'est pour ça souvent, j'ai dit, il y a des comparaisons insensé, insensé, qu'il ne faut pas <laughs> faire. Il ne faut pas faire parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Mhm. Quand on fait les comparaisons des, choses qui sont. les années À venir, même, ils espèrent euh, la multiplication encore de ces. Oui, mais d'accord, c'est bien beau de multiplier. Mais à l'époque, à, l'époque, à l'époque, Nafisa, à l'époque, est-ce que les civils s'ingéraient dans l'achat d'armes militaires mhm. Est-ce que les civils s'ingéraient dans l'achat Aujourd'hui, c'est devenu un commerce des civils. mais alors, ils vont, ils achètent n'importe quoi, ils amènent. ils, euh, ils font n'importe quoi. Et des, non. La progression donc euh, de, de, cette armée est à saluer, mais beaucoup euh, doit être fait. oui, beaucoup, doit être, fait. faire. Hum, hum, hum. La, la, la, progression de l'armée, c'est une question de, de, de, grade. C'est une question de, de, de, courage, d'abnégation. De, voilà. Mais c'est pas Alors, euh, beaucoup doit être fait pour accompagner l'armée nigérienne pour qu'elle puisse être compétente sur le terrain. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. Dernier sujet de ce forum de la presse, le ministre du Commerce a annoncé le dimanche soir sur les antennes de la télévision nationale que le prix du gasoil augmentera à compter du 1er août 2022. Ainsi, le litre est passé de 538 francs CFA à la pompe à 668 francs CFA, soit une hausse de près de 25%. La guerre en Ukraine est l'une des causes de cette hausse, selon le président. Après donc euh, cette annonce, les réactions sont diverses dans l'opinion pour les conducteurs des minibus, la décision du gouvernement risque de mettre un frein à leur activité. Je vous propose d'écouter quelques conducteurs. Vraiment, je ne suis pas content de cette décision, car des fois, nous retournons vite jusqu'au quartier aéroport. Les passagers se plaignent eux-mêmes. Les frais de transport sont fixés à 200 francs. Les passagers te dit qu'il 100 ou 150 francs. Et avec tout cela, on apprend qu'on a augmenté les prix du gasoil. Que faire alors Vous voyez, c'est un problème pour nous. Nous demandons au gouvernement de revenir sur cette décision. Il y a des papiers à faire et il n'y a pas assez de clients. Que faire alors Nous voulons que l'État revienne sur sa décision, car vraiment les temps sont durs. C'est dans le véhicules qu'on gère nos familles. Les enfants sont là avec leurs besoins et les femmes aussi avec leurs exigences. Vraiment, qu'ils revoient au moins un peu le prix. Sinon, vraiment, ça va nous déranger. C'est dans ça là que nous gérons nos familles, pour qu'on puisse même subvenir à nos besoins. On est parti dans des stations, on a confirmé l'augmentation, mais on nous a dit qu'on ne peut pas nous vendre. Il faut qu'on affiche d'abord au niveau de la machine. Il faut qu'on voit nos syndicats pour en discuter par rapport au transport. Alors après, écoute, Maimouna, selon vous, au-delà même de ces conducteurs, quel sera l'impact de cette hausse, de cette augmentation du prix du gasoil mais Nafis, l'impact est déjà là. Mm-hmm. Dès euh, euh, le communiqué euh, du ministre du Commerce, le lendemain, aussitôt que les prix s'affichent au niveau donc, du gasoil à la pompe, mm-hmm. il y a ce qu'on appelle une inflation qui, est déjà là. Le prix du pain a augmenté. Ça se vend aujourd'hui à 175 francs. Mm-hmm le, le prix des de, laits Solani consommables se vend aujourd'hui euh, aujourd'hui est revenu à 125 francs. Il y, aura d'autres aussi, parce que au niveau donc euh, du transport, les Faba Faba sont aujourd'hui à 200 francs, mhm. les Faba Faba de l'aéroport à 300 francs. Donc, comment est-ce qu'il faut expliquer ça le ministre, selon lui, euh, explique que la guerre en Ukraine serait euh, l'une des causes de cette hausse. Qu'en dites-vous euh, Nefis, moi je ne suis pas d'accord. la guerre en Ukraine n'a rien à voir avec l'augmentation, comme on veut nous faire croire, mhm. du prix à la pompe du gasoil. Puisque nous sommes un pays producteur. Mhm, mhm. Nous sommes un pays producteur. Nous, nous, avons le pétrole ici. Nous avons. Nous le raffinons aussi ici. Mais comment est-ce que, est que nous raffinons notre pétrole, gasoil au niveau de l'Ukraine pour que ça puisse avoir mhm. un impact sur le quotidien des Nigériens Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis même pas d'accord. Je suis pas d'accord euh, sur, cette raison avancée. L'État pouvait trouver d'autres raisons, mais le fait de, mentionner Ukraine, c'est ça qui a fait, en tout cas, euh, un tohu-bohu mhm partout. Mhm. Moi, je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de vivre Est-ce qu'on ne vivait pas avant euh, de connaître l'Ukraine, mhm. que les produits viennent de l'Ukraine mhm. On n'a pas. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de manger le pain tout le temps <laughs> Le pain, ce n'est pas nous qui achetons le pain. Le, pain, ce n'est pas celui qui, celui qui n'a pas l'argent pour acheter le pain. Est-ce que c'est une obligation Ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'aujourd'hui, Solani ou quoi l'a consommer là, est-ce que c'est une obligation de le payer à 175 <laughs> francs Aujourd'hui, les minibus là, qui disent qu'ils vont, ils, ont augmenté euh, la, course à 200 francs, euh, les Faba Faba là. Mais ça, moi si j'étais. Euh, j'allais réfléchir à deux fois. Mhm, puisque en augmentant le tarif, ils perdent la clientèle. Aujourd'hui, je préfère prendre mon taxi, même si c'est à 300 francs, que de, prendre 200 francs. Ils ne préfèrent pas prendre le coup, si on peut le dire, eux aussi. Mais euh, qui <laughs> Les, les, les conducteurs. Les conducteurs. Mais le problème, c'est que c'est des prétextes. Mhm. Tout le monde cherche des prétextes. Et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir ce prétexte-là. Et comme nous, les Nigériens, nous sommes patients, mhm. on observe, on regarde. Un beau jour, encore dans deux ou trois mois, cette fois-ci, ils vont revenir et la même situation va se poser pour ce qui est de l'essence. On ne souhaite pas. Alors, euh, une euh, hausse du prix du gasoil qui ne s'explique pas. Husseini, rappelant qu'en juin dernier, face à la pénurie du gasoil dans certaines villes du Niger, euh, le gouvernement a décidé de la suspension immédiate de l'export à partir du 1er juin dernier et la fermeture de certaines stations-service prises en flagrant délit d'exportation frauduleuse ou de spéculation sur les prix à la pompe. Selon vous, quels sont réellement les enjeux autour de cette augmentation du prix euh, C'est pas autre chose, ils ont pillé la Sonidep. Ils ont mis à genoux la Sonidep, n'est-ce pas Maintenant, comment renflouer Parce que depuis ces dernières années, la Sonidep était gérée, c'était comme, des, comme une espèce de caisse noire, mhm. où on pouvait mettre n'importe qui, on a créé des postes farfelus qui, qui, qui euh, ça a surchargé. Et de l'autre côté, la Sonidep est en, machin, pratiquement. En faillite, Alors, comment on va essayer de, de, de, de remonter, de renflouer les caisses Il faut aller prendre ça avec les pauvres citoyens dont le revenu n'a pas augmenté depuis, depuis 10 mm-hmm. ans. Mm-hmm. En se disant, bon, on va juste le pétrole, c'est pas tout le monde qui consomme, mais c'est tout le monde qui consomme d'une manière ou d'une autre le pétrole. Mm-hmm. Les transporteurs qui vont aller prendre les marchandises au port, c'est le gasoil qu'ils utilisent. Les, les véhicules qui font transport, les bus qui font transport, ça veut dire que ça va impacter directement et de manière beaucoup plus dure sur les populations. Maintenant, ils viennent raconter leur histoire. Mm. Que c'est euh, la guerre en Ukraine. Non, ça dit que c'est même une. Non, c'est. non, ça dit même c'est une insulte à l'endroit des Nigériens. Mm, mm, non, que vous faites ça. Et c'est parce que faut le faire, parce que sinon, l'électricité et, comment on appelle le gaz domestique, ça va on se rappelle, le gaz domestique, ils ont fixé des prix. Ils n'ont jamais pu faire appliquer ça les prix là qu'ils ont fixés, mm, n'est-ce mm, pas Donc, mm, qui cessent de raconter des balivernes. Les gens tous, on se connaît dans ce pays, on sait comment les choses fonctionnent. Ils sont incapables de pouvoir réguler les choses. Mais de venir mentir pour dire, ah non, non, non, les gens doivent accepter. Comme ça, d'emblée, 130 francs. 130 francs. C'est énorme pour le pauvre citoyen. Juste après donc euh, cette décision du gouvernement, euh, euh, les autorités, le gouvernement et certains opérateurs économiques et associations de défense ont eu une rencontre et visiblement ces, ces, opérateurs ont accepté, ou bien si on peut le dire, cette hausse parce qu'ils ont demandé à ce qu'il euh, y ait un dialogue entre eux pour que la hausse du gasoil, euh, du prix ne se répercute pas sur le prix du transport ainsi que euh, qu'elle n'ait pas une incidence sur les produits de première nécessité. Qu'en dites-vous avant, oui. avant, de passer la parole, je veux dire, le cas de concertation là, moi mhm. je faisais partie. Mhm par rapport à depuis Soutanja, quand on avait mis, ça avait flambé, mhm, mhm. il fallait trouver des mesures d'accompagnement et tout et tout. Ça a fonctionné pendant un certain temps, mhm. mais depuis qu'on a commencé à produire le carburant nous-mêmes, le cadre là a disparu. c'est pas après coup que vous allez appeler les gens pour leur dire, et puis ils sont tombés dans le panneau. Voilà, Arimi. Non, mais moi je pense que euh, ce qu'il faut comprendre, le Niger c'est un pays enclavé. Le port le plus proche est à plus de 1000 km. C'est ce gasoil que le transport euh, utilise pour pouvoir nous acheminer tous les produits qui viennent de l'extérieur. Mm-hmm. Euh, malheureusement, on se connaît au Niger, mais a eu à l'évoquer, euh, tout se rabat toujours sur le consommateur, sur le consommateur final, mm-hmm. c'est-à-dire vous et nous, ça se répercute directement dans nos assiettes. Mm-hmm. Aujourd'hui, le vendeur d'œufs, s'il vous plaît, mhm. a augmenté le prix de l'unité qui est mhm. passé de 100 francs à, 125, francs. C'est des poules, euh, c'est des, œufs pondus par nos poules ici sur mhm. place. Mais on accuse toujours la guerre en Ukraine. Le pain a changé de prix. On nous dit que c'est la guerre en Ukraine. Mais il faut savoir ce, que euh, le commerçant nigérien en général, n'est-ce pas, a une solution facile parce que le prix des choses ne sont jamais contrôlés mhm. et ça se répercute. Mhm. Aujourd'hui, le pétrole, euh, euh, le, gasoil a augmenté. On a augmenté le prix du litre de gasoil à de plus de 100 euh, 100 francs. Eh bien, tous les produits n'est-ce pas Même si on apporte par, chaque camion en transporte 1000, chaque, produit, va, se connaître une augmentation. Oui. Mhm. Déjà, j'ai vu des gens qui ont publié le transport à l'intérieur du pays mhm. a pris un coup. Moi-même, j'ai fait le, cas déjà depuis quelques jours. Mhm. J'étais à l'intérieur du pays et j'ai vu comment déjà le prix de transport était en train. Mais où est-ce qu'on veut amener vous, savez, dans un pays comme le Nigeria, le carburant coûte relativement moins cher. On ne peut pas se comparer à ce pays sur le plan de la production, mais on doit en tenir compte. Ça coûte moins cher parce que c'est la meilleure façon de répercuter euh, sur la population mhm, euh, mhm. le bienfait d'une exploitation qui s'est fait sur place. Et rapidement, quelle sera euh, vraiment la suite de cette crise selon vous Mais écoutez, on sait qu'on a des difficultés avec notre société mm-hmm. de production en fait des produits mm-hmm. pétroliers, mm-hmm. n'est-ce pas C'est euh, la Sonidep, n'est-ce pas Le président, rien que la dernière fois encore, il a repris, l'engagement euh, de lutter contre euh, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Je crois qu'il faut sévir, il faut régler, il faut faire rembourser les gens. N'est-ce pas L'école ne marche pas parce que les gens volent. Merci. rien ne marche parce que les... Et c'est ici donc euh, que prend fin le forum de la presse euh, de ce jour. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci d'être venu. Je suis Nakui Sadam Sirfa, à la modération, à la technique Amina Hassan, à la régie vidéo Issa Lawali. Au revoir.